Salut les amis de eSport TV. Merci encore de la confiance en nouvelle les gars. Merci de vous abonner, merci de vous like, merci de vous du boxer la famille eSport TV. Le Dynamo de Kiev qui vient donc d'annoncer la prolongation de contrat de qui De Sambadialo. Dynamo de Kiev n'a pas annoncé prolongation de contrat de Samba Diallo. mais moi je vais vous donner les détails avec les bonnes informations. L'outar nous signale à contrat Samba Diallo. Samba Diallo c'est un joueur qui a été formé à l'académie Salam du Sénégal. Il a joué au niveau de l'équipe nationale du Sénégal dans les U17, n'est que révélation à plusieurs reprises avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a même participé à une compétition nationale, la Coupe du Monde, entre autres. Donc Samba Diallo, aujourd'hui, à la base, contrat avec Dynamo de Kiev, c'était un contrat d'un an. Bon, il devait jouer avec les U19. Maintenant, bon, avec les U19, Samba Diallo a marqué en Youth League. Quand on parle de Youth League, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions, mais aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions des jeunes au niveau des, des clubs U19, entre autres. Il a marqué 10 5 buts avec la Youth League et il a marqué également en championnat 10 buts sur 13 matchs. 10 buts sur 13 matchs et il a également délivré 9 passes décisives donc ba muy ñëw Dynamo de Kiev am ay club yoo xam ne nekkoon nañ ci moom yu ci mel ne euh, kii di Lille qui di Anderlecht qui di Bruges entre autres maintenant finalement mu signé li nga xam ne mooy Dynamo de Kiev pour man c'est une bonne chose parce que permettre na gosse bi mu dem si benn club boo xam même si c'est le club le plus titré en Russie nekk na également club boo xam dina ko permettre mu mën a évoluer mën na tamit euh, nekk si progression mais entre temps Samba Diallo dañoo dem ba ci biir gis ne ay club yu mel Manchester United Manchester City FC Barcelone Barcelone bi nga xamné contre ñom Samba Diallo dafa duggal doublé dafa duggal doublé le duggal ñom ñoo 4 buts à 1 donc Wakiev Kiev xam actuellement le gosse là buñ ko bayé ci un an de contrat bi mën dem si benen club motax ñu prolonger contrat donc yokku ci encore 5 ans mu dem ba 2000. 7. Donc mu 2007 2027 plutôt Nous mu 2027 parce que contrat un an vous savez donc mi donc à partir de 2022 le contrat waroon donc on signé ko mu dem 2006 2026 2027 bu saison bi dañ saison 2026. donc aujourd'hui Samba Diallo est un joueur boo xam ne hein, je l'ai suivi c'est pas la première fois que je parle de lui lui c'est un milieu de terrain gauche. gaucher, milieu de terrain, gaucher, c'est un jeune rapide, il a le même style que Sadio Mané. Il a le même style que Sadio Mané, c'est un joueur également qui peut aussi jouer sur le côté droit. Mais c'est un joueur aujourd'hui, qui effectivement, moi techniquement, de faire un bagage technique, mais il est vivace, il est rapide. Montagne le futur Sadio Mané, comme à une époque, nous connaissons pour qui Moï, Crépin Diata. Mais équipe yi nga xamné euh, Barcelone di Manchester City et tout bi di évoluer Youth League nombre de matchs im def 5 matchs nga joué ko Youth League tu fais donc 5 buts tu marques 5 buts avec au niveau de la Youth League par rapport de match de joué même bu il a joué tous les matchs mais également championnat U19 10 matchs. 10 buts en 13 matchs également 9 passes décisives nekk na gosse il a de l'avenir et c'est un jeune boo il est parti de rien pour arriver à ce stade et c'est un jeune qui a des objectifs clairs c'est un jeune boo xam ne yàgg na wax bëgg équipe nationale Sénégal mooy également am carrière professionnelle bu baax roy ci ay joueurs yu Sadio Mané yu si Crépin Diatta yu si mel ne joueurs yu bëri yoo nañu li nga petite catégorie te booy seet c'est un jeune parmi tant d'autres Pour leen fàtte Moussa Ndiaye mi FC Barcelone Pour leen fàtte euh, Pape Matar et également d'autres joueurs qui xam il y a aussi le jeune Baldé qui aujourd'hui évolue au niveau de, euh, de, la Hollande. Euh, ils ont été formés au Sénégal pur produit sénégalais c'est un jeune qui il fait la fierté du Sénégal mais également des académies de football il y a peut-être gars yu jambal ay jàmbaar génération foot mais aujourd'hui ak ñi nga Darou Salam qui font de bonnes choses, hein, qui sortent de grands joueurs. Bougnou Fatelikou, John Lepi, entre autres. Donc aujourd'hui, Samba Diallo, c'est un joueur qui prolongation de contrat. Ce n'est pas, une prolongation de euh, contrat qu'on a fait comme ça, une prolongation de contrat pour les gars de New mais de New Gosby, en un laps de temps, machallah, il a fait ses preuves et que derrière, il y a un club qui donc nous avons prolongé le contrat. Et pour moi, prolongation contrat, c'est aussi intéressant parce qu'il temps parce qu'il va rejoindre l'équipe A. Donc maintenant, il va pouvoir jouer avec l'équipe A parce qu'il a signé un contrat professionnel. Mais aujourd'hui, il va permettre également de gagner mais aussi, il permettre de évoluer à un niveau pour mener a wane des def progression comme niko euh, Sadio Mané defoon ak Metz dem Salzbourg aujourd'hui il est sur une bonne dynamique Sadio Mané plutôt Samba Diallo et pour moi c'est la relève est-ce qu'on a une équipe nationale ou une a équipe nationale en tout cas avec le complexe le l'esprit de sans complexe qu'il a il peut jouer aux côtés de Sadio Mané maintenant on va laisser le temps au temps mais pour duggoon aussi de permettre de évoluer préparer aussi l'avenir avec le Sénégal en tout cas gars c'était l'information que je tenais à vous donner Vous leen liker like ah abonner leen di hein. abonné la famille sportive TV l'information la magie du football, ça se passe ici. Toujours un plaisir de vous servir, Guy. Bien, Jeff.